Salam alaikum. mi Nous ngi leen di nuyu ku si de sa tur ak sa sant monsieur Mbaye directeur général de l'ONAS monsieur Amadou Kan, président de l'ONCAV monsieur Muntaga Mal président de l'ODCAV de Kermassar. Monsieur le Président du Conseil départemental de Kermassar, Monsieur le maire des communes de Kermassar, représenté par le maire de la commune de Djahaï, nous avons bokk un mouvement de fii ci avec nos amis de la presse Nous avons geste symbolique parce que la semaine ci semaine bi une réunion avec l'ODCAV de Kermassar pour xol nan la gëna ñongalé li di nawétane fi ci Kër Massar mais aussi nu ñuy waxtaanee ci responsabilité ASC ak zone yi ci biir gox yi ñu dëkk. fofu le président doole de cadre de Kër Massar joon fa ay engagement ci ne le mouvement nawétane de Kër Massar ne sera pas en reste manam duñ dess ginnaw ci xeex inondation au niveau de Kër Massar tay suñu kilifa yi le secteur le directeur général de l'ONAS ak le président de l'ONCAV def promesse bobu réalité ñu accompagner leen signer protocole d'accord accord tay tey daan ñuy jébbal six motopompe yoo xam ne bu ci nek 80 m3 cube heure lay moy capacité monsieur le directeur général de l'ONAS teg sank né ne yokal benen moto pompe bo xamné 300 m3 mètres heure lay doon pour fi nga xamné zone yi nga xamné ndox bi dafa bëri lool rachid si yi jël 50 jeunes yu bok ci mouvement nawetaan keur Massar formé leen si nous faisons defee quand kon nous mu doon au pour le département de Kermassar, nous bénéficions de ñaari yoon ndax nous permettre de faire contre inondation mais aussi ñu jox qualification ndaw qualifications, ñuy jël def des volontaires pour une inondation yi jeexee sax ñu mën jël capacités compétences mettre au service de la population au nom du président de la République son excellence monsieur Macky Sall au nom du gouverneur de la région de Dakar, M. Al-Hassan Sall, au nom du préfet du département de Kermassar, M. Saïd Fall, empêché, nous M. le directeur général, M. le président de l'ONCAV, M. le président de l'EDECAV, le mouvement associatif Nawetan bi M. ñu leen suñuy remerciement Len de sant bu baax di leen gërëm di pour euh, xeex inondation au niveau de Kermassar. sur ce mën nañoo wax nous avons déclarer solennellement ni euh, action de pompage sous la direction de l'ODCAV e de Kermassar. démarrer bonjour tout le monde monsieur le directeur général monsieur le président de l'ONCAV, e monsieur le président de Kermassar, de monsieur le représentant du président du conseil départemental de Kermassar, Monsieur le les maires représentés par le maire de la commune de Jahaï Monsieur les membres du mouvement Nawetan, bonjour. Je pense que l'ONCA vient de confirmer que l'amélioration des conditions de vie des populations figure bien dans ses objectifs. Jour pour jour, la semaine dernière, nous avions eu à organiser un CDD au niveau de Yumbel. Et au cours de ce CDD, le président de l'ODECA avait pris les engagements que le mouvement Nawetan de Kermassar va participer à la lutte contre les inondations ici à Kermassar et au développement du département de Kermassar en général. Chose promise, chose faite, aujourd'hui nous recevons un lot de 6 motopompes d'une capacité de 80 m 3 heure chacune, avec tout le matériel qui va avec, mais aussi avec des bons de carburant accompagné de 50 volontaires, des volontaires qui vont être formés par l'ONAS, mis à la disposition du préfet du département de Kermassar pour renforcer le dispositif de pompage et soulager les populations victimes d'inondations au niveau de Kermassar. Cette action hautement symbolique est doublement bénéfique pour les populations de Kermassar parce qu'elle permettra en premier lieu d'éradiquer les inondations et secondo, de créer des, emplois, une qualification pour ces 50 jeunes. Alors, au nom du président de la République, au nom du gouverneur de la région de Dakar, au nom de M. Saïd Fall, préfet du département de Kermassar empêché, nous présentons nos vifs remerciements à M. le directeur général de l'ONAS, M. Ababakar Khan, Mbaye, pour et Monsieur le Président de l'ONCAV, avec tous ses démembrements au niveau du département, pour cette action et pour ce geste. Merci beaucoup.